Administrer un somnifère à l'enfant par l'adulte qui a besoin de dormir sans être dérangé est une pratique qui se répand petit à petit dans la société. Nora, un petit garçon de 2 ans, est apparemment bien portant. Cependant, malgré son hyperactivité de la journée, Nora dort tard le soir, parfois après minuit. Une situation qui met mal à l'aise sa tante qui perd du coup le sommeil à cause du tubulent garçon. Pour être tranquille, elle lui fait avaler du somnifère pour qu'il dorme tôt. Inayatou explique. Lorsque j'ai constaté qu'il ne dorme pas tôt, c'est après ses 10 ans. Deux fois, il faut une heure du matin pour qu'il dorme. C'est après que j'ai compris, il passe toute la soirée à dormir, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Le produit que je lui donne, c'est Pro-Métazine. et c'est de temps en temps. Inayatou n'est pas la seule à faire usage de cette méthode radicale chez l'enfant. Halima aussi utilise des produits, mais de la pharmacopée traditionnelle pour endormir sa petite fille de l'âge de 6 mois à l'époque. Qu'est-ce Sincèrement, je l'ai fait à plusieurs reprises parce que ma fille pleurait beaucoup et ce qui m'empêchait de dormir. On m'a conseillé de lui appliquer sur la fontanelle le mélange de tabac et du beurre. En appliquant cette mixture, elle dort toute la nuit et pour la réveiller, c'est tout un problème. Et à un moment, j'ai eu vraiment peur parce que j'ai du mal à la réveiller pour l'allaiter comme on peut s'y attendre en pareil cas Donner ces produits aux enfants bien portants comporte des risques. Selon Dr Boulama Ari Mustafa, pédiatre dans une clinique à Maladie, il faut chercher la cause profonde qui empêche aux enfants de dormir et la solutionner. Dès qu'un enfant pleure, il faut voir quelle est la cause de ses pleurs. Il faut consulter un professionnel, donner un médicament pour faire dormir un enfant parce qu'il pleure peut être euh, lourd de conséquences. Si on habitue, ça crée une accoutumance. Je vous donne un exemple. Un enfant qui a une douleur abdominale, ça peut être une appendicite qui le fait pleurer. Si vous lui donnez ce somnifère, il va dormir, mais le processus qui a déclenché va s'aggraver et conduire à des situations pires que ses pleurs. Une étude menée en France dans les années 2000 auprès de 200 enfants a révélé que près de 70% de ces enfants recevaient des médicaments à visée sédative, alors que dans la majorité des cas, l'enfant n'a pas besoin de somnifère pour dormir.